suis le euh, coordonnateur des jeunes de la commune de Geltap et Fas Koloban, par ailleurs membre du euh, collectif euh, de la mouvance présidentielle du département de Dakar, qui regroupe aujourd'hui tous ceux qui soutiennent, tous les jeunes qui soutiennent le président de la République dans le département de Dakar. Voilà, aujourd'hui, nous nous étions rencontrés pour démarrer de façon officielle la campagne électorale. En fait, euh, nous nous sommes réunis en tant que structure regroupant les jeunes du département de Dakar euh, pour, descendre sur le terrain, défendre le président de la République face aux hostilités dont il fait face aujourd'hui. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons une opposition euh, à la limite malsaine devant nous, une opposition qui n'a pas d'argument, mais qui utilise l'insulte, le vocabulaire du ridicule pour se mettre en exergue. Aujourd'hui, face à, au bilan du président de la République, au lieu qu'il nous fasse un certain nombre de propositions allant dans le sens de redresser le Sénégal, il verse dans les discours les plus bas. Nous avons décidé de divorcer avec cette vieille tradition en descendant sur le terrain, parler aux populations, leur parler de réalisation du président de la République, de sa volonté d'amener le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035. Aminata Sarr, coordonnatrice des jeunes du PIT au niveau du département de Dakar, en même temps membre du bureau national, membre aussi de la mouvance présidentielle des jeunes du département de Dakar. Engagement, engagement lañ am le président Macky Sall a un bilan bilan Nous ñun jigéen en commençant par nous parce que nous la majeure partie du temps Nous sommes dans les coins et les recoins euh, fii mbooloo mi di tase nous ñun ñoo descendre sur le terrain pour défendre int bilan Macky Sall loolu moo ñu tax a du ñu ko wàcceeg góor ñi pour l'instant ku ne xam ni jigen rôle bi mi joué ci politique maintenant légui loolu lañu gëna mëna fessel a fésal on a notre place dans le milieu politique défendre pour uniquement défendre le bilan du président Macky Sall parce que son bilan aussi mi ngi fi tégué ku nekk xam son bilan est très positif ñun titre, kenn ñu kenn en toute franchise kenn kenn parce que ay ay ay lañ rek ñun ñu am suñu candidat mu def li nga def Sénégal ñëpp gis ko mu jox ñu ko bi jox ñu mu uniquement bi mais dañuy jël suñu ba jël suñu man ngi je suis euh, le coordonnateur euh, euh, des jeunes de LDR de Modou Diagne au niveau du département de Dakar par ailleurs aussi coordonnateur euh, euh, de la plateforme des jeunes du département euh, di wax rek comme Nico sama frère sœur camarades yi Nous, nous sommes des jeunes conscients et soucieux du devenir de notre pays ci kaw loolu ñu toog situation politique bi ni mieux vaut que les Sénégalais ñu opter pour le candidat de la stabilité sociale c'est important parce que bu ngeen regardez Macky Sall chantier qui a été enclenché et qui été inauguré je pense que aujourd'hui ku nit rek il mérite amplement un second mandat une affaire dafa am nous Macky le président de ko wax Dakar enjeu ñun dañu nous nous jouer un rôle important nous, ñu ne gis nga les querelles intestines ak yenn considération ñu jël lépp teg ko fee ñu retrouver wu un d'un cadre cette plateforme qui réunit l'essentiel des partis politiques et mouvements affiliés pour ñu ànd joxante loxo wàcc dans le département de Dakar def ay porte à porte des visites de proximité wax ak askan bi wax leen les bonnes informations parce que comme nous ko ñu constaté depuis un certain temps amna ci candidat yo xam dañuy nek di yak xelu askan bi ci wax yo xam amul ben base lo xam boko vérifier toujours li ngay gis moy que ce sont des contre-vérités ñu bëgg leena ñaax wax leen le président a fait un travail remarquable et remarqué et que il mérite amplement un second mandat